le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum le forum le forum du forum du forum du studio le forum le forum le forum Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Engagement des jeunes dans la lutte contre le Covid-19 au Niger. À la date du 17 mai 2020, le Niger enregistre 904 cas confirmés au Covid-19, dont 152 en cours de traitement, 698 guéris et 54 décès d'après un communiqué du ministère de la Santé publique du Niger. Avec euh, nos invités, nous allons voir le degré d'engagement et de l'implication de la jeunesse nigérienne dans le cadre de la prévention et de la gestion de la maladie du Covid-19, la prise en charge des malades, les avancées et les difficultés. Nous avons donc euh, le plaisir de recevoir au téléphone euh, Dr Abdelrachid Awal Issa, chargé des affaires extérieures de l'Association des jeunes médecins du Niger. Dr Abdelrachid Awal Issa, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez Abou Zaid Abdelaziz Sanoussi, président du mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne Moujedek. Abou Zaid Abdelaziz Sanoussi, bonsoir. Bonsoir. Et Mohamed Sanoussi, activiste et coordonnateur de l'ONG Agir pour les malades mentaux aman Mohamed Sanoussi, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Docteur Abdelrachid awala Issa, que peut-on savoir ou retenir au sujet de cette euh, terrible maladie alors, euh, permettez-moi d'abord de remercier le studio Kalangu pour tous les efforts qu'il entreprennent pour, euh, pour amener sa contribution aussi dans la prévention et de la lutte contre cette pandémie mondiale de la maladie à COVID-19. Il faut saluer ici toutes ces mesures prises par les autorités et surtout l'engagement des, autorités sanitaires qui ne, en tout cas, qui ne ménagent aucun effort pour euh, endiguer cette euh, terrible maladie. De passage, il faut retenir aussi que les jeunes, comme le thème de ce forum, évolution de la maladie et contribution de la jeunesse. Il faut aussi dire que la jeunesse, en tout cas, ne s'est pas laissée euh, faire et qu'elle a pris aussi des initiatives à tous les niveaux et dans tous les endroits, on voit, dans tous les endroits, on voit les jeunes qui s'activent aussi pour amener leur pierre à l'édifice, pour euh, prévenir aussi de leur manière. Parce que c'est une maladie qui concerne tout le monde, non pas seulement les agents de santé, mais chacun dans sa sphère de compétences peut aussi euh, faire quelque chose pour pouvoir endiguer cette pandémie. Donc je crois que la jeunesse est à saluer à travers les initiatives que nous voyons de sensibilisation, à travers des initiatives de, challenge, de vidéos que les jeunes sont en train de faire pour pouvoir sensibiliser euh, leur leurs Docteur Abdelrachid Awala Issa, quel est le degré de l'engagement et de l'implication de votre association, l'association des jeunes médecins du Niger, dans le cadre de la prévention et de la gestion de cette maladie Écoutez, l'association des jeunes médecins du Niger a pris ses responsabilités dès avant même que le premier cas soit confirmé Tout se rendre disponible volontairement, parce qu'il faut le rappeler, volontairement aux autorités euh, sanitaires pour pouvoir euh, participer à cette euh, lutte. Parce qu'il faudra-t-il le rappeler, l'association des jeunes médecins est composée que des jeunes médecins qui sont disponibles. Et à ce niveau, nous sommes de la première ligne, c'est-à-dire au niveau du SAMU qui s'occupe des téléphones, qui s'occupe de la ligne 15, du traitement des, des cas suspects, aussi du transport le malade jusqu'au niveau de l'hôpital général de référence où se passe, où s'effectue la prise en charge. Donc, pour vous dire que l'association des jeunes médecins est, vraiment dans la lutte de la première ligne à la dernière ligne. Abrachida Awal Issa, est-ce qu'il y a une contrepartie euh, au sujet de votre engagement Alors, il n'y a pas de, de, de concrète contrepartie euh, parce que nous nous sommes engagés en tant que volontaires. C'est quand même un acte patriotique à saluer vous voyez, quand nous arrivons à bien dormir, c'est que quelque part, il y a des forces de l'ordre et de sécurité qui veillent sur notre sécurité. Et cette fois-ci, je crois que c'est des soldats agents de santé qui sont sur le terrain, qui font le travail dans les consciences et dans le volontariat total. Mais néanmoins, il faut le rappeler, il y a un partenaire quand même qui, nous a approchés, qui a promis de se donner ne serait-ce que de faire de taxi aux différents membres volontaires de l'association qui sont sur le terrain. Docteur Awala Abdrachid Issa, avez-vous le sentiment d'être bien compris par les Nigériens Vous savez, dans cette euh, histoire, la communication est très capitale. Et vous voyez, je crois que ce mois passé a été un mois très difficile au début, les Nigériens ne, comprenaient pas, certains ne croyaient pas à cette pandémie et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Mais il faut reconnaître qu'un grand nombre de Nigériens, quand même, euh, croient à cette euh, pandémie et chacun, dans son niveau, euh, essaie en tout cas d'adopter les, mesures de prévention, que ce soit à la maison, que ce soit en public, que ce soit en ville et dans tous les lieux. je crois que la population est en train de comprendre et cela est à saluer, mais néanmoins, il faut qu'on continue à sensibiliser les récalcitrants parce que c'est ensemble que nous pouvons endiguer cette maladie. Si parmi la population, il y a des gens qui ne croient pas, je crois que le combat reste encore à mener. Mais quand même, il faut saluer cette population, en tout cas dans sa majorité, qui croit à cette maladie et qui prend toutes ses responsabilités pour pouvoir endiguer euh, la pandémie. Docteur Abdrachid Awal Issa, quelles sont vos attentes en tant que euh, médecin et quelles sont les attentes des Nigériens au sujet de la gestion de cette euh, maladie? Alors, en tant que médecin, moi, je, je demanderais surtout à la population de rester chez eux pour euh, nous permettre, euh, en tout cas, de, euh, de mener à bien notre travail sur le terrain. Parce que quand la population ne reste pas chez elle et quand la population ne respecte pas les mesures de prévention, c'est la c'est la contamination qui va continuer, et là, ça serait difficile de pouvoir endiguer cette pandémie. Et aux autorités aussi de tout faire, de tout mettre en œuvre pour pouvoir protéger les agents de santé. Parce qu'il faut le rappeler, les agents de santé sont ceux-là hein, qui sont sur le terrain et qui s'exposent à tous les risques. Donc je crois que les, les autorités sont en train de faire de leur mieux, mais qu'il faut encore euh, accentuer, qu'il faut encore augmenter pour que les agents de santé à tous les niveaux que la chaîne soit quand même protégée. Merci, docteur Abrachid Awal Issa. Restez en ligne euh, le temps de donner la parole à Abou Zaid Abdelaziz Sanoussi. Quelles sont déjà les actions à mettre à l'actif euh, de votre association, le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne Mujedek, pour aider les autorités sanitaires du Niger dans la prévention et la gestion de la maladie du Covid-19 Merci beaucoup pour euh, l'opportunité que nous offrent les studios Klangou à travers ce, forum pour présenter euh, les initiatives du Mojedec dans le cadre de la prévention et la gestion des maladies, de la maladie Covid-19. Donc pour ce qui concerne euh, Mojedec, vous savez, cette maladie, le plus grand acte qu'on peut faire, c'est de limiter sa propagation. À partir du 23 mars, le MOGEDEC avait pris une décision pour instaurer un système de télétravail pour tous les fonctionnaires, tous les agents qui sont des fonctionnaires sur les différents programmes du MOGEDEC et qui avait pris effet à partir du 25 mars. Donc à partir du 25 mars, tous les agents du MOGEDEC qui sont sur des projets qui sont payés ont été mis pour le télétravail. Le Télétravail, ça se passe concrètement comment Le télétravail, chacun travaille chez lui, chacun doit rester chez lui travailler à partir de chez lui avec son ordinateur et partager les informations à partir de, du mail, à, partir des de Skype et tout ça là. S'il y a des, travaux à faire, il faut le faire, il faut utiliser l'Internet pour le faire. Est-ce qu'ils sont, ils sont suffisamment outillés pour euh, le faire euh, vous savez ce que, en, termes de technologie, ce que au niveau du Mojedec, nous croyons formellement à l'utilisation et aux avantages de la technologie. Euh, c'est pourquoi c'est quelque chose auquel nous apportons, euh, nous, nous apportons beaucoup de crédits et nous nous investissons pour que nos agents et les, les membres du Mojedec puissent être à mesure de l'utiliser bien avant la maladie. Donc quand la maladie était arrivée, on était déjà préparé pour, euh, pour faire du télétravail. Et c'est ce qui, qui fut fait. chacun continue à travailler à partir de chez lui et Maintenant, une autre décision, dans la même décision, un autre acte, c'est que c'est d'instaurer un système de réunion sur Skype. Les réunions ne se font plus en présentiel, donc les gens utilisent les Skype pour faire, les, pour faire des réunions, pour faire des discussions, pour aborder des, choses. Et à partir du, samedi passé, euh, le Mojedec a instauré euh, les ports des, des bavettes, hijab, turban, obligatoire dans ces locaux pour les quelques personnes qui, euh, qui, sont autorisées à, accéder. Le port de bavette, casque, euh, masque, euh, hijab ou turban est obligatoire. Donc vous ne pouvez pas entrer dans le bureau du Mojedec tant que vous n'avez pas ces. Il n'y a pas de dispositif de lavage de mains J'arrive. Maintenant, il y a bien sûr un, dispositif de, lavage de mains. Dès que vous rentrez, il y a du, savon et du gel qui, qui sont là, que vous utilisez pour, pour euh, nettoyer vos, mains. Donc, il y a toutes ces dispositions. Et euh, ça, c'est à l'interne. Maintenant, au niveau externe, ce qu'on a fait, euh, on a commencé à vulgariser, à utiliser les, réseaux sociaux pour vulgariser les décisions prises par le gouvernement euh, relativement aux décisions du Conseil des ministres, le message à la nation du président de la République et les, euh, différents communiqués qui sont, du ministère de la Santé et, de certaines institutions auxquelles nous, nous apportons beaucoup de crédits et que nous pensons que leur contribution est très importante. Donc on essaye de partager ça avec euh, les autres euh, jeunes à travers les réseaux sociaux. Euh, également, il y a une vaste campagne de sensibilisation à travers les différents groupes. WhatsApp qui, qui, sont utilisés. Vous savez que le Mojedec a mis en place beaucoup de clubs de jeunes pour la paix. Donc, il y a ces canaux qui sont utilisés pour euh, sensibiliser les populations sur la maladie, sur ses dangers, sur les cas, les cas positifs, les, décès et, les gens qui sont en train d'être traités s'il il y a des spots qui ont un fort impact et qui sont utiles à passer, qui ont des messages vraiment utiles à la compréhension, ils sont passés à travers ces, ces, différents canaux. Donc voilà ce que le, le est en train de faire dans le cadre de la prévention et la gestion de la maladie. Abou Zaid Abdelaziz aussi. quelles sont vos difficultés sur le terrain Vous savez, nous, en ce qui concerne, euh, par exemple, pour les Mongolais, on n'a pas de difficultés majeures là-dessus. Parce que, un, tout ce qu'on utilise, c'est la technologie, c'est le téléphone, c'est tout. Il faut passer les, les messages. Maintenant, l'obstacle qu'on croise, c'est surtout au niveau de ses bénéficiaires. D'autres ne sont pas en mesure de, soit télécharger des vidéos qu'ils reçoivent. Euh, à cause de la mauvaise euh, qualité de, la connexion, de l'Internet à, cause, à cause de beaucoup de choses. La qualité de l'Internet, le coût de l'Internet, parce que souvent, il y a d'autres qui n'ont même pas de, de quoi pour faire ce forfait-là. Et il y a ceux qui n'ont pas de portable adapté pour utiliser les WhatsApp ou Facebook ou tout ça là. Et il y a ceux qui n'ont même pas de portable. Donc tout ça là, c'est un défi et nous, à notre niveau, on ne veut pas encourager encore les gens à des regroupements. Par exemple, pour leur dire, il faut aller sensibiliser, parce qu'il y, a un grand, il y a un grand risque. Si vous envoyez, euh, si vous demandez aux, populations d'aller sensibiliser d'autres, il y a un risque que les gens se contaminent à travers cette sensibilisation ou bien ils font contaminer. Mais il y a des mesures, euh, des gestes de barrière qu'il faut respecter. Oui, mais ça, c'est pour des gens qui ont tout compris qui peuvent faire ça. Quand vous demandez, parce que nous, au niveau du Mojedec, tout ça là est suspendu. Les membres et personnels du Mojedec ne doivent pas participer à des activités comme ça. C'est interdit. Maintenant, si on engage d'autres personnes, on dit euh, d'autres personnes pour le faire, peut-être on n'est pas sûr que tout le monde a toutes ces informations pour respecter euh, cela. Donc, c'est pourquoi euh, ça, c'est vraiment un obstacle pour nous par rapport à ça. Là. Je pense que et la solution à, à cet obstacle, c'est que la chaîne de communication. Mhm de communication même euh, doit être euh, revue. Et à la, euh, la commission communication du comité de gestion de, de, Covid, elle doit, doit être plus décentralisée. Et même le comité, on a un comité au niveau national, on a un comité régional. Quand vous partez dans les communes, il y a des choses à faire. Pour le moment, vous n'avez pas, vous n'avez que l'exécutif qui est là. Vous ne pouvez pas avoir, voilà concrètement les, les nombres ou bien les membres du comité, par exemple, communal, ou bien des quartiers dans la gestion de, cette pandémie. Alors que, pour moi, personnellement, je pense que si on veut que ça marche, il faut que le dispositif national soit ces, ces, des représentations jusqu'au niveau quartier. Là, on, on, instaure une chaîne de communication très fluide qui va faciliter la compréhension et qui va éviter certaines, certaines, confusions, telles que à un certain moment, les jeunes ont commencé à dire Ah, au Niger, on ne guérit pas, tous les malades sont toujours malades, on dit qu'ils sont instables, alors que on n'a même pas atteint les 14 jours. Il faut attendre les 14 jours pour voir. S'il y avait toute une chaîne de communication, des choses comme ça ne, ne vont pas arriver. Euh, Mohamed Sanoussi, quelle est votre contribution en tant qu'activiste et quelle est la contribution de votre ONG pour aider le Niger à faire face au Covid-19 euh, Merci beaucoup, M. Mouktar, de m'avoir donné l'occasion euh, d'échanger avec euh, mes amis sur cette question essentielle qui traite de la pandémie du Covid-19, un sujet d'actualité. En tant qu'activistes, nous contribuons à l'analyse citoyenne pour amener nos concitoyens à comprendre un peu le phénomène, l'évolution de cette euh, pandémie. Il faut dire par la grâce d'Allah, on constate que l'évolution des courbes de contamination et des décès, ce n'est pas une évolution exponentielle comme ça a été claironné. C'est une maladie où la, la, la contagion se fait à, de façon exponentielle. À grande échelle. À grande échelle et de façon exponentielle. Le deuxième commentaire, on constate que la courbe de euh, guérison évolue de façon exponentielle. Le taux de guérison par rapport au nombre de personnes contaminées est très appréciable. C'est un motif de satisfaction. C'est un motif de satisfaction. Et quand on compare notre pays, le Niger, qui est un pays extrêmement pauvres, avec la promiscuité, avec euh, la situation de pauvreté aux autres pays tels que les États-Unis, la, France, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Sud, il y a quand même un motif de satisfaction parce que euh, on constate que par la grâce de Dieu au Niger, nous sommes en train de contenir cette pandémie, de maîtriser les conséquences sanitaires de cette euh, pandémie contrairement à certaines prévisions, des mauvaises augures, des gens qui ont pensé qu'en Afrique, tout va céder, c'est l'hécatombe, les gens vont mourir par milliers. Donc, on n'en est pas là. Et avec euh, le temps, on est en train de dépasser un effet qui est essentiel dans la gestion de cette pandémie, qui est la psychose, qui est la panique. Aujourd'hui, quand on prend le Niger, la ville épicentre de cette euh, pandémie qui est la capitale. La capitale, il y a deux semaines, euh, il y a je sais pas, trois semaines de cela, c'est la panique généralisée. Avant même euh, à tous les niveaux, avant le premier cas. Et aujourd'hui, les gens sont relax, les gens sont distressés, et je pense qu'il n'y a pas cet effet-là psychologique, cette panique-là qui a, qui, a, hantisé tout le monde. Aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre que Covid, c'est une maladie comme toutes les autres. On peut la contracter, on peut être traité. Oui, on peut être traité. Mm-hmm. Et le nombre de morts, n'est pas tel que ça a été annoncé. Et aujourd'hui, ça, c'est un aspect important qu'il faut euh, verser dans la communication. Parce qu'au début, toute la communication, y compris la communication officielle autour de cette pandémie, on dit que c'est une pandémie, c'est une maladie, il n'y a pas de vaccin, il n'y a, pas, donc euh, c'est la mort évidente, tout le monde va mourir. On n'en est pas là. Et moi, je suis vraiment satisfait de voir comment le pays, à travers les dispositifs de gestion de cette pandémie, les contributions citoyennes, la mobilisation sociale, comment nous sommes en train de circonscrire et de maîtriser les effets sanitaires de cette euh, pandémie. Donc il y a des réels espoirs. Hein. Il y a véritablement des, de l'espoir parce qu'aujourd'hui, moi je pense que par rapport au Covid-19 au Niger, l'aspect euh, les conséquences sanitaires sont en train d'être maîtrisées. C'est les autres conséquences qu'il faut voir comment il faut les maîtriser. En tant qu'ONG qui intervient dans le domaine de la santé mentale, notre inquiétude, c'est au début par rapport aux, malades, mentaux, errants et ou abandonnés, particulièrement qui sont nos cibles, les malades mentaux euh, abandonnés euh, et, ou errants. on a fait des appels euh, pour que l'État prenne des dispositions pour les interner, parce que c'est des groupes cibles euh, auprès de, qui on ne peut pas développer une stratégie de communication, de sensibilisation, parce qu'ils ne pas de leur faculté mentale, ils n'ont pas la capacité de euh, comprendre. C'est pourquoi on a préconisé que l'État prenne des dispositions pour les interner. Alors, vous avez fait des études, pour voir euh, s'il n'y a pas eu des personnes contaminées au, sein de, ces groupes cibles-là Nous faisons des suivis parce que euh, depuis, on a mis en place un système de suivi par rapport à d'autres pathologies qu'ils traînent. Au-delà de la question de santé mentale, vous rencontrez des malades qui traînent d'autres pathologies. Et dans le cadre de ces suivis, on a intégré la question de Covid à travers les signes, les symptômes qui ont été déclinés par les autorités compétentes. On n'a pas constaté et on n'a pas vu vraiment un cas avéré, même si il faut reconnaître que nous n'avons pas de compétences pour détecter, mais quand même, on n'a pas rencontré un cas de malade mental qui présente, qui, qui qui a des, symptômes visiblement. Donc, euh, Dieu merci, euh, jusque-là, on n'a pas eu un cas. Donc, on va aller vers les autorités pour voir parmi les cas qu'on a de malades euh, atteints de Covid, est-ce qu'il y a des malades mentaux et comment on peut prendre ça en compte dans le cadre de nos statistiques. Maman aussi le port de masque, euh, des bavettes euh, ou tout autre outil pouvant protéger le nez, la bouche, euh, tel que le turban, hijab, foulard, est obligatoire à Niamey, ont annoncé les autorités municipales. Comment avez-vous accueilli toutes ces mesures En ce qui concerne les mesures de protection, il faut le dire qu'au au début de cette pandémie, nous étions dans une situation d'urgence et dans une situation d'urgence, généralement, les mesures qu'on prenne, c'est des mesures flexibles qui peuvent évoluer avec le temps. Parce qu'avec l'essai, comme j'ai dit, de la panique, il faut le dire, tout le monde avait paniqué, y compris les autorités en charge de la gestion de cette pandémie. C'était la panique généralisée. Il y a une, toute une batterie de mesures qui ont été édictées par les euh, autorités compétentes. Mais avec le temps, il faut évaluer. Et nous, à notre niveau aujourd'hui, quand on regarde comment la situation évolue, comment on est en train de maîtriser les conséquences sanitaires de cette euh, pandémie, on pense qu'il y a lieu de faire une distinction. Une distinction entre les mesures qui restent encore pertinentes et nécessaires d'avec les mesures qui doivent être levées. Les mesures telles que les lavages de mains, tels que le port des masques, la distanciation d'un mètre, la limitation des nombres des passagers qu'on applique actuellement au taxi ou au euh, Faba, c'est des mesures qu'on pense euh, qui restent pertinentes et nécessaires qu'il faut continuer à appliquer. Mais certaines mesures qui ont été édictées sous l'effet de la panique au début de cette pandémie. Aujourd'hui, on doit s'asseoir et discuter de leur nécessité et de leur utilité, de leur pertinence. Avec les mesures de protection telles que le lavage de mains, le port des masques, il y a aussi des activités telles que les ateliers et les euh, séminaires. C'est interdit. Mais aujourd'hui, on a constaté que on peut le faire si, par exemple, on réduit le nombre de participants à 20 participants et on loue une salle de 150 personnes en respectant la distanciation de 1 mètre, en portant le masque, en faisant euh, le lavage, de, main. mains et en utilisant le moyen, euh, de, le matériel de sonorisation, une salle bien équipée avec matériel de sonorisation, on peut continuer à faire ces ces, ces activités. Parce que on constate que les marchés sont ouverts et l'attroupement dans les marchés, c'est un peu plus exposant que les ateliers de 20 personnes. Les, marchés sont désinfectés. Euh, les salles aussi, on peut les désinfecter. Avant et après. Tout est question des dispositions à prendre. Et c'est valable pour le fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, quand on constate, l'Assemblée, elle fait des, sa session en limitant le nombre de députés 40, à 40 50. 50 L'Assemblée peut bien fonctionner avec tous les députés, mais il suffit de délocaliser la plénière de l'hémicycle vers une grande salle. Par exemple, Mahamat Gandhi, nous avons des infrastructures qui a 2000 ou 3000 places avec le matériel de sonorisation. Tous les gens peuvent rester. Et moi, de mon point de vue, au lieu de demander à la Cour constitutionnelle ou bien au-delà de la Cour constitutionnelle, il faut requérir l'avis des techniciens de santé. Est-ce que c'est possible de réunir, par exemple, pour le cas de l'Assemblée, 171 députés dans une salle de 2000 personnes en respectant la distanciation, le lavage des mains, le port de trucs pour que les institutions fonctionnent normalement. Docteur Awala euh, Abdelrachid Issa, les autorités de la ville de Niamey ont rendu le port du masque obligatoire à Niamey, la capitale, l'un des pays les plus pauvres du monde pour lutter contre la propagation du coronavirus. Euh, cette mesure suffit-elle à stopper euh, net la propagation, la chaîne et la contamination de la maladie alors, il, faut rappeler, M. Mokhtar, que le port de masque fait partie de l'une des mesures de prévention de lutte contre le Covid-19. Et pour citer le lavage des mains, ok, le fait de ne plus se saluer avec la main, observer la distanciation. Alors, le port de masque est une très bonne chose parce que quand on parle de masque, ce n'est pas seulement euh, le masque euh, les masques chirurgicaux ou médicaux que nous connaissons, Quand la dernière fois le ministre lui-même l'avait appelé, il y a, on voit aussi des masques faits de, de tissus, euh, les hijabs que les femmes portent. Euh, mon ami a posé de la dernière fois, j'ai vu, il s'est transformé en Touareg avec son turban. Donc je crois que c'est une très bonne chose, ça permet de, de, limiter la propagation. Parce que vous voyez, quand vous ne portez pas votre masque et que euh, quelqu'un qui est contaminé, parce qu'il y a des cas qui sont asymptomatiques, donc des, des personnes qui sont positives mais qui ne présentent pas de signes. Donc quand euh, vous ne pouvez pas connaître et reconnaître ces personnes-là, donc on ne sait pas qui est positif, qui ne l'est pas, tant qu'on ne fait pas le test. Donc du coup, il est, fortement conseillé, voire obligatoire d'avoir son masque parce que n'importe qui peut tousser, cracher, éternuer, parler à haute voix devant vous. Donc, pour, se protéger, il est vraiment nécessaire de porter son masque. Docteur Abrachid Awala Issa, rappelez-nous euh, les autres mesures et gestes barrières pour casser la chaîne de propagation et de contamination de la maladie. Alors, pour casser la chaîne de propagation, de contamination de la maladie, d'abord, c'est le confinement. Que chacun puisse rester chez lui. C'est les mesures de restriction. Le confinement partiel, on n'est pas dans, le confinement total, mais on peut dire qu'on est dans un confinement partiel avec les mesures de couvre-feu, avec euh, les méthodes de télétravail où tous les agents sont pratiquement chez eux. Donc c'est très important parce qu'il faut se rappeler, le, virus circule avec nous. Le virus n'est pas dans l'air. Ce n'est pas comme s'il voyage seul. Le virus voyage avec nous. Donc plus on reste chez nous, plus le virus ne peut pas circuler, plus la chaîne de transmission est, coupée, est cassée. Alors, quand, quand maintenant on est en circulation, il faut se protéger pour ne pas se faire contaminer. Et c'est pour ça, vous voyez, on demande de se laver régulièrement les mains. À chaque moment, dès qu'on touche quelque chose, il faut se laver les mains. Quand on rentre chez soi, avant de toucher quoi que ce soit, qu'on se lave les mains. Et là, on peut s'en débarrasser du, virus. Et pour ne pas porter aussi le, le virus, c'est pour ça qu'on demande de ne pas se saluer avec la main et de ne pas se toucher les yeux, le nez, la bouche, parce qu'ils sont des portes d'entrée du virus quand même vous, touchez quelqu'un qui a le virus, qui le dépose sur vos mains et que vous touchez ces, endroits-là, vous pouvez vous auto-contaminer. Donc c'est pour cela on demande de porter les bavettes, le masque et de ne pas se toucher, de ne pas se toucher euh, les yeux, la bouche, les yeux, la bouche et le nez. Voilà docteur Abrachid Awala Issa, face à, toutes ces mesures, est-ce que le Nigérien moyen a les capacités de supporter euh, ces mesures Vous voyez, ce sont des, mesures qui ne coûtent pas. Ce sont des mesures où chacun chez soi peut s'adapter. Par exemple, quand on dit se laver les mains, on n'est pas obligé d'avoir le gel hydroalcoolique pour se laver, pour se laver les mains. Avec du savon de 100 francs, euh, on peut bel et bien se laver les mains et un savon de 100 francs peut faire 72 heures, voire plus quand on n'est pas, quand on pas nombreux. Quand, quand, on demande la distanciation de 1 mètre, je ne pense pas si on a besoin de ressources pour être distant de 1 mètre. là, le souci, c'est que quand on demande à des, à des personnes vulnérables qui vivent le jour au jour de rester confinées à la maison. Dans certains quartiers, euh, il n'y a pas de l'eau, comment faire Là, je crois que les autorités, surtout locales, doivent voir quelles mesures aussi adapter pour ce genre de personnes. Parce que c'est une crise, comme l'a dit tout à l'heure le frère, qui est venue comme ça et les gens étaient plus de panique. Je crois que là, maintenant, ça va un peu et que les gens doivent penser eh, à ces personnes-là qui sont dans les besoins et dans tous les besoins qui est au-delà du besoin sanitaire, le besoin en eau, en potable et même euh, le besoin alimentaire. Parce que vous voyez, il y a des commerces qui se font que la nuit. Il y a des personnes qui ne, qui ne sortent que la nuit pour chercher à manger. Et si, avec ces mesures de restriction, de le couvre-feu, ils n'arrivent plus à faire ce commerce, voyez-vous comment est-ce qu'ils peuvent arriver aussi à, à, nourrir leur famille. Je crois que les gens doivent s'asseoir et discuter maintenant que la situation est plus ou moins en train d'être maîtrisée pour que les gens aussi voient les problèmes engendrés par cette crise. Euh, merci, docteur euh, Arabd Rachid Awal euh, Issa. Restez en ligne. Abou Zaid Abdelaziz Sanoussi, qu'attendez-vous du gouvernement pour mieux prévenir et gérer la maladie Pour mieux prévenir et gérer la, maladie, le, gouvernement a, fait déjà le premier acte en prenant des, des décisions. Malheureusement, il faut prendre ces décisions très dures parce que Sinon, qui, les conséquences seront plus dures que ce que nous vivons actuellement. Heureusement, maintenant, ça va. on est en train, on est dans une situation de, de comme, comme, comme on l'a dit. Au-delà de ces mesures, le, gouvernement doit suivre ces, ces, mesures avec des, des, des solutions palliatives, des mesures d'accompagnement. Telles que la, distribution gratuite de vivres, les ventes à prix modéré de vivres euh, que, par exemple, pour les personnes euh, extrêmement pauvres et tout ça là, il faut vraiment faire la distribution gratuite à, de vivres et tout ça là. Et ça, il ne faut pas tarder pour le faire. On a, euh, on a trois problèmes. D'abord, le premier problème, c'est la pauvreté de ces gens. Le deuxième problème, c'est la psychose créée par cette situation. Et le troisième aspect, c'est que les carèmes arrivent bientôt. Les, nos vrais commerçants sont en train de réfléchir pour pouvoir augmenter les prix déjà. Que, donc il faut prendre, malgré, malgré l'arrêté de, que, le ministère du Commerce avait pris pour un peu limiter les dégâts, euh, malheureusement, ça, ça, va, ça, ça, risque d'arriver. Depuis la, signature de cet arrêté, est-ce qu'il y a un changement positif, euh, réel, positif sur le marché je n'ai pas suivi, je pense qu'il y a l'association de consommateurs qui suit ça. Je veux que le gouvernement prenne des dispositions pour que les distributions gratuites des vivres puissent commencer à, temps. Ça ne doit pas prendre beaucoup de temps les ventes à prix modéré pour les, pour les, pour les personnes, pour les moyens, que ça puisse commencer également et que ça soit encadré, que ne soit pas utilisé à, d'autres fins, parce que vous savez, l'être humain commun, les gens communs, ils sont souvent, quand on leur confie des tâches, ils, euh, en, abusent. Donc, toutes ces mesures-là doivent commencer pour soutenir le, la population. Maintenant, au-delà, il faut aussi voir, parce qu'il y a, avec cette maladie, une classe moyenne qui est qui risquent de balancer dans l'extrême pauvreté. Il y a des gens qui aujourd'hui, peut-être, ou bien il y a deux semaines, ne sont pas pauvres, ne sont mais du fait des mesures qui, ont, été prises, là, ils, sont, se retrouvent dans des difficultés. Imaginez que vous êtes un consultant, par exemple, vous, faites, des formations, vous faites ceci, tout ça là, ça a été interdit. Depuis un mois, depuis un mois, vous, êtes en train de, de consommer dans votre épargne peut-être là c'est fini et il n'y a pas de perspective pour commencer. Donc il faut aussi identifier ces personnes-là. Imaginez que vous faites le commerce de nuit. Vous n'êtes pas pauvre. ceux qui vendent les fruits, euh, les poulets voilà. Imaginez que vous faites ça et que maintenant vous n'en faites plus. Et dans le passé, vous avez les moyens pour, pour vivre mais là, avec la situation, vous n'êtes plus en mesure de supporter ça. Euh, pas même vous supporter, Vous ne pouvez, vous, et vous avez épuisé votre épargne. Il faut que l'État puisse. Les artistes ont quand même donné le temps. Voilà. Vraiment, les, artistes doivent être soutenus. Les artistes doivent être identifiés et soutenus d'abord pour leur, pour leur survie et après aussi il ne faut pas que la, cette panique de la pandémie détruisent notre tissu artistique. Il faut vraiment un soutien à, ces artistes. Il faut, identifier tous les acteurs euh, qui sont euh, des acteurs euh, qui ont eu un impact négatif le plus grand et, amener, et contribuer à, à limiter ce qu'ils ont suivi comme conséquence. Maman Sanoussi, euh, selon vous, quels sont les non-dits autour de cette maladie et qui méritent que les gens en parlent rapidement euh, Moi, de mon point de vue, le non-dit, c'est par rapport à la gestion même de cette euh, pandémie. De mon point de vue, il faut descendre la gestion au niveau communautaire parce que la question, elle se vit dans le quartier. Et aujourd'hui, au Niger, nous sommes organisés au niveau de chaque quartier. Il y a des leaders communautaires, il y a des chefs, il y a des chefs de quartier. Et il n'y a aucun comité de gestion de la pandémie au niveau des quartiers. C'est un truc centralisé. Il faut non seulement descendre ça au niveau euh, euh, communautaire, mais aussi il faut démocratiser la gestion de cette pandémie. Aujourd'hui, au Niger, on constate que la société civile, elle n'est pas impliquée dans la gestion de cette pandémie. Comment ça il y a des organisations de la société civile qui travaillent depuis des années dans le domaine de la santé. Ils sont sortis faire une communication pour dire qu'ils ne sont pas impliqués, dans le processus de la prise en charge. Et beaucoup des organisations de défense des droits humains ne sont pas impliquées dans la gestion de cette euh, pandémie moi, selon mon intime conviction, que euh, pour mieux gérer cette pandémie, il faut rompre avec la panique, il faut rompre avec l'alarmisme. Impliquer tout le monde il faut être réaliste. Il y a des mesures qui sont dépassées, qui sont périmées. Si les autorités en charge de la gestion de cette pandémie ne créent pas les conditions d'un échange, d'un dialogue avec les autres acteurs pour voir quelles sont les mesures qui sont véritablement pertinentes, les mesures qu'ils ont édictées et qu'ils cherchent à maintenir coûte que coûte seront levées d'elles-mêmes. Parce que c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans les quartiers. Mon ami a parlé de la distribution gratuite de vivres, etc. Ça ne sera pas une solution miracle parce qu'au Niger, nous avons l'expérience des ventes à prix modéré, de la distribution gratuite de vivres. Ces opérations, elles ont quel impact ils, n'ont aucun impact. Et depuis des années, on a cessé d'auditer la vente à prix modéré, la distribution gratuite des livres. On n'évalue pas. De mon point de vue, ça n'a pas un impact réel sur la vulnérabilité des gens. En temps normal, ça n'a pas. Et en temps de confinement, ça ne va pas avoir. Le truc de réduction euh, de prise en charge de l'eau, tranche sociale et l'électricité, là, c'est des solutions qui n'auront pas d'effet tant que les, les autres conséquences de cette pandémie, notamment les conséquences économiques, vont continuer toujours à impacter dans la vie de nos concitoyens. Sincèrement, il y a des mesures qui sont périmées, qui ne sont plus pertinentes, qu'il faut créer les conditions de revoir, de revoir ça. Au Niger, les jeunes représentent près de deux tiers de la population nigérienne et si au moins un jeune par village euh, sera engagé dans la lutte contre le Covid-19, 20 000 filles et garçons feront passer le message sur les mesures de protection, les symptômes, tout en collectant euh, des cas d'alerte à signaler au système de santé. C'est pourquoi l'engagement et l'implication de la jeunesse euh, s'avèrent nécessaires pour stopper net la chaîne de contamination et de propagation de la maladie au Niger. Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Merci à nos invités, docteur Abdelrachid Awala Issa, chargé des affaires extérieures de l'Association des jeunes médecins du Niger, Abou Zaid euh, Abdelaziz Sanoussi, président du mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne Mojedec, et Mohamed Sanoussi, activiste et coordonnateur de l'ONG Agir pour les malades mentaux Amana. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci aussi à la technique euh, côté son assurée par Seini Saka et côté vidéo Ayuba Mustafa. Merci, au revoir.